le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passées de 15 minutes, bonsoir à tous et bienvenue dans le forum de la presse qui a lieu chaque vendredi sur le studio Kalangou. Le studio Kalangou que vous écoutez à travers le réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger. Même chose à Arlit, Kirozerine, Menesora, Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. Dans le forum de la presse de ce vendredi 3 février 2017, nous aborderons plusieurs questions et entrées à l'éducation, entre autres la réforme du système de l'éducation à laquelle compte s'atteler le ministère de l'enseignement primaire et l'arrestation de certains enseignants contractuels pour usage de faux diplômes. L'actualité est aussi marquée par les premiers résultats de la vague d'interpellation de hauts responsables qui a lieu ces derniers jours et qui, pour, et qui pour la plupart tourne autour du détournement des deniers publics. On parle de près de 500 millions de francs CFA, francs déjà recouvrés par l'État à la date du 30 janvier, selon le journal Le Témoin qui cite le procureur de la République. Si le temps nous le permet, bien sûr, nous parlerons de cette affaire d'augmentation sur les tarifs de transaction via Orange Money, une augmentation que ne comprennent pas les consommateurs. Comme chaque vendredi, nous recevons des confrères pour discuter des faits ayant dominé l'actualité de la semaine. Nous sommes avec nos confrères El Haj Mahamadou Suleiman, journaliste au journal Le Républicain. Bonsoir euh, Suleiman. Bonsoir. Avec nous aussi Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce forum de la presse par l'éducation, notamment les relations entre le gouvernement du Niger et les enseignants contractuels. On se souvient que le gouvernement et la coalition Cause Niger-Sinaseb ont signé le 13 décembre 2016 un protocole d'accord autour des revendications des enseignants, ce qui a permis d'observer une, accalmie des grèves. Que dire de la mise en œuvre de ce protocole d'accord à la date d'aujourd'hui je vous propose d'écouter Issoufou Arzika, co-coordinateur de la cause Niger, au micro d'Asmana China. Pour ce qui concerne le remboursement des arriérés de pécule, ça, on peut dire que c'est satisfaisant. Le paiement du mois de décembre, c'est fait, mais il faut dire qu'il y a quelques difficultés de procédure. On fait qu'il y a des petits retards, mais de l'ensemble, ça va, c'est fait. Seulement, du point de vue des échéances, c'est-à-dire le temps imparti pour respecter ces accords-là, aucun accord n'a été respecté à son temps. on ne peut pas continuer à attendre le gouvernement traîner les pieds sur des urgences qui concernent quand même les salaires. Ce qui reste encore et qui est inquiétant, c'est la persévérance des menace euh, pour faire des grèves et des règlements de comptes contre nos camarades qui ont grévé. Et aussi une attitude du gouvernement qui n'est pas de nature à consolider la c'est celle qui a consisté, en dépit d'un accord qu'on a signé avec lui, de couper nos salaires et de manière abusive. Donc ces petits éléments ont un peu frustré les enseignants que nous sommes et nous nous sommes dit que bon, est-ce que ce gouvernement est soucié vraiment de la calamité dans le secteur de l'éducation vu les actes qu'il pose encore contre les enseignants Ok, on laisse le point d'interrogation posé comme ça. La suite va nous donner une réponse justement sur cette question précise de coupure de pécule. Nous allons encore, nous allons suivre cette fois-ci Halidou Moukela, secrétaire général du SINASEP, syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEP. D'abord, les premières retenues pour faire de grève ont concerné spécifiquement les enseignants contractuels parce qu'aujourd'hui, il faut les dire que la plupart de ces enseignants contractuels, pour ne pas dire que les enseignants contractuels se trouvent être des militants euh, du SINASEP. Mais euh, la surprise, c'est que sur les salaires du mois de janvier, nous avions également remarqué que c'est seulement les membres du bureau exécutif national avec euh, certains responsables des régions qui ont connu des coupures, selon eux, pour faire de grève sur ces salaires-là. Mais il se trouve qu'il ne s'agit pas là de coupures pour faire de grève parce que si c'est des coupures pour faire de grève, d'abord, ça doit concerner l'ensemble des organisations, en tout cas impliquées. Ça doit concerner tous les enseignants qui ont observé, en tout cas, ces arrêts de travail-là. Mais mieux, c'est qu'il faut dire qu'en janvier, il n'y a pas eu de mouvement. Donc, on ne peut pas savoir pourquoi ils vont opérer des coupures à la fin du mois de janvier pour faire de grève. L'autre aspect, c'est que c'est des retenues que nous avons constatées qui vont de 50 000 à 115 000 francs. Dans ces conditions, on ne peut pas nous parler de coupures pour faire de grève. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est un acharnement tel qu'ils ont l'habitude de le faire contre notre organisation, contre le syndicat et contre ses militants. Alors, vous venez de suivre euh, avec nous, donc, euh, ces, deux, ces, deux, syndicalistes, notamment Issouf Arzika, qui est co-coordinateur de Cause Niger, sur le bilan de l'accord qu'ils ont signé avec le gouvernement. Ensuite, euh, Moukel Halidou, qui est le secrétaire général du SINASEP. Donc, tout d'abord, euh, une réaction, euh, Elhaj Suleiman Mamadou euh, du Républicain, une réaction, ce quelle réaction vous, vous ben, ma, ma, réaction en tant que citoyen, c'est vraiment une véritable inquiétude quand on sait véritablement déjà le premier, premier trimestre de l'année était sérieusement compromis. L'espoir est vraiment qu'on a constaté qui était vraiment... on se rend compte que véritablement on risque d'aller vers une euh, année blanche si effectivement on n'arrive pas vraiment à définitivement s'entendre entre euh, les syndicats et le, et le pouvoir. Et je me rends compte que euh, rien qu'hier, en suivant le ministre des enseignements secondaires et des enseignements primaires, pardon, euh, avec des menaces réelles, des, châssis en tout cas, de, de, de, de persécuter les enseignants sur cette question de, faux diplômes, je me rends compte que véritablement euh, la tant souhaitée au niveau de l'école, en tout cas, n'est pas à l'ordre du jour. Et de ce point de vue, je pense que franchement, il est grand temps que les acteurs, en tout cas notamment euh, le pouvoir et les syndicats, puissent vraiment euh, s'entendre, régler ce qui doit être réglé. Parce que déjà, nous sommes euh, au mois de février, quand on sait que, comme je l'ai dit tantôt, euh, on n'a rien fait pratiquement au niveau des écoles publiques pendant le premier trimestre, vraiment, je pense qu'il est grand temps qu'on puisse euh, vraiment caler les choses. Alors, l'autre aspect, c'est cette coupure de, de pécule pour faire des grèves. Trouvez-vous cela normal Bon, si tant que euh, c'est seulement, comme l'a dit euh, Moukel Halid, c'est seulement les membres du bureau euh, qui ont été victimes de, cela, il a raison, justement, ça, c'est effectivement un acharnement et je pense que ce serait un peu abusif. Euh, contre le droit de grève, c'est-à-dire que tout le monde sait comment c'est régi. mais le faire seulement contre les syndicalistes, ce serait véritablement euh, chercher vraiment à les décourager, chercher vraiment. c'est une fuite en avant parce que véritablement. Euh, tant qu'on on a vu vraiment ces, syndicats, effectivement, que ce soit la cause, que ce soit le SINASEB, en tout cas, ont su mobiliser leurs militants et par conséquent, je pense que ce n'est pas cette retenue sur leur pécule ou bien sur leur salaire qui puisse vraiment décourager leurs militants parce qu'ils ont posé des problèmes réels. Ousseini Issa, vous avez suivi avec nous donc, euh, les, les deux interlocuteurs. D'abord, euh, quel bilan vous, tirez de, de, des accords signés entre l'État et, et, la coalition cause SINASEB avant de revenir sur cette euh, question de coupure Merci beaucoup, merci. Et en fait, c'est un dossier que j'ai suivi de très près et que je continue de suivre d'ailleurs. Ça pose tout simplement le problème de la sincérité même de l'État. Parce que les protocoles d'accord sont signés entre les deux parties et que chacun s'est engagé à respecter, en tout cas, euh, l'entente. Ce qui est contenu, le gouvernement s'engage à respecter, euh, à mettre en œuvre les, les, dispositions ou du moins les clauses contenues dans le protocole. De l'autre côté, les enseignants acceptent de reprendre les cours. On a connu un premier trimestre où il n'y a pas eu du tout cours. Les cours ont commencé en janvier et le gouvernement s'est engagé à régler la question, en tout cas les principales questions que les enseignants ont soulevées. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé C'est que les enseignants ont repris les cours, mais même les mesures, ou du moins euh, les répressions que le gouvernement a décidé de, cesser, le gouvernement a continué à les faire. exemple, sur oui, allez-y. Par exemple, les coupures, ça n'a pas de sens. Quand vous voulez la calmer à l'école, vous trouvez un cadre d'entente, moi, je pense pour un gouvernement responsable, créer les conditions pour que cette entente la dure. Vous ne pouvez pas prendre des engagements vis-à-vis des partenaires et vous vous mettez de l'autre côté, vous faites autre chose. Ça n'a aucun sens. Et je me dis quelque part que le gouvernement n'a véritablement pas besoin de l'école publique. Si c'est un gouvernement qui a besoin de l'école publique, il allait en tout cas se donner les moyens. Donc vous ne trouvez aucune justification à ce que, des, coupures aient lieu sur les véhicules des gens la grève, c'est un droit. C'est un droit reconnu, et comme avait dit, sur le plan international. Un travailleur, quand il, a des revendications et que le gouvernement n'arrive pas à satisfaire les revendications, <coughs> la voie légale qui se présente, ou du moins la voie légale dont il dispose, c'est d'aller en grève. Ça fait partie, c'est un moyen légal. Pourquoi Parce que je suis en grève. Mais pourquoi le gouvernement ne prend pas les dispositions pour que les, euh, préoccupations de ces enseignants-là soient, soient réglées C'est ça le problème. Parce que moi, quand j'entends dire non, c'est les enseignants, mais les membres du gouvernement, ils sont payés à la fin du mois ou ils ne sont pas payés C'est des questions réelles. Un enseignant, il se réveille tous les matins pour aller dispenser des cours nécessairement, il faut créer les conditions pour qu'ils soient dans la sérénité et pouvoir aller à l'école le matin et puis dispenser les cours. Mais tant qu'il n'y a pas cette sérénité-là, bien entendu, ils vont arrêter d'aller travailler. Alors, nous allons toujours rester dans ce chapitre de l'éducation pour parler du recours en justice introduit par un groupe d'enseignants admis au spécial A et B de promotion 2012-2013 mercredi dernier, la Cour d'État a procédé au jugement de la dite affaire. Les plaignants sont des enseignants qui ont été révoqués de la fonction publique pour avoir concouru afin de poursuivre leurs études à l'Université de Niamey. Le ministère des tutelles estimait qu'il n'était pas autorisé euh, à, le faire. Nous allons écouter euh, Badje Diori, qui est délégué de ces enseignants. Nous sommes passés à un conseil de discipline n'est-ce pas Les 191 avaient décidé de retourner administrativement. Ils ont été réhabilités. Mais ce qui est malheureux, c'est que ces camarades-là sont restés avec nous jusqu'à la licence. Ils sont présentement en master. Vous voyez, c'est injuste. Nous, nous avons été honnêtes. Nous avons dit que nous ne sommes pas en abandon de poste, raison pour laquelle nous continuons à suivre notre étude à l'université de Niamey. Nous avons présenté des papiers, des autorisations qui nous ont permis de nous déplacer de nos postes à l'université pour faire le test. Et le délibéré, c'est pour le 8 mars et nous sommes confiants. La justice est indépendante. Nous croyons à l'indépendance de la justice. Nous prions Dieu, n'est-ce pas, et pour que justice soit rendue. Euh, donc c'était la Badje Diori qui est déléguée de ces enseignants révoqués de la fonction publique et qui était admis au, spécial A et et Ousseini je reviens toujours euh, vers vous. Euh, cette question, comment est-ce que vous, vous, analysez vous savez, euh, Le concours d'abord, qui l'a organisé C'est la question que je vous réponds. C'est vous qui répondez aux questions. Ce pas les autorités compétentes. Les enseignants, quand on ouvre un concours, quand vous, vous avez le profil pour vous présenter à ce concours, je ne vois pas pourquoi vous vous présentez au concours, vous commencez même à prendre des cours, ou du moins vous commencez même la formation et qu'on dise que non, non, vous êtes révoqué de, la fonction. Mais dans quel secteur d'activité on n'a pas besoin ou on a besoin de stagner Quand on rentre dans un secteur d'activité, on a besoin d'avancer. On ne peut pas rester parce que je suis resté enseignant, comme avait dit, euh, euh, je ne sais pas, enseignant avec, euh, la catégorie B, que je vais continuer à rester enseignant catégorie B jusqu'à la fin de ma carrière quiconque rentre dans un secteur ou dans une, dans, une activité, dans un secteur d'activité, c'est pour pouvoir évoluer. Aujourd'hui, on fait comme si les enseignants, ces deux, c'est-à-dire ils n'ont même pas, comment veut dire, ils n'ont pas consulté leur hiérarchie pour aller faire le concours. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, alors Suleiman euh, Qu'en dites-vous de, cette affaire euh, Quand même, euh, ici, nous sommes dans un euh, dans un cas euh, administratif où je pense que les, statuts de la fonction publique euh, et vous l'avez dit, la Cour d'État était donc déjà, elle a déjà donné un avis et on attend justement le, de ce point de vue la réalité, c'est de voir est-ce que effectivement il y a des actes qui interdisent aux enseignants justement d'aller faire leur formation euh, vraiment, je pense que de ce point de vue, la, euh, la question, il n'y aura aucune euh, inquiétude. Ce qu'on va appliquer les taxes, les taxes et on saura véritablement s'ils ils ont droit à le faire. Ils ont en tout cas suivi les règles qui leur permettent effectivement d'aller faire la formation parce que aussi la fonction publique qui est le ministère de tutelle en tout cas qui, en, tout cas en censé donc suivre la carrière des uns et des autres peut effectivement faire des injections de qualité compte tenu un certain nombre de considérations, nous ne sommes pas donc euh, prêts à vous recevoir après votre formation. Et il y a eu vraiment beaucoup de cas de par le passé. Mais comme l'a dit Hussein, en tout cas, euh, la volonté aussi des autres, effectivement, d'avoir la, la, promotion, d'avancer elle est réelle de sorte que souvent en réalité, euh, les gens ont tendance à fermer les yeux, c'est-à-dire que je vais aller faire ma, formation, même si à la fin je peux même espérer faire, euh, travailler dans le privé ou bien dans, un projet. Mais moi je pense qu'il n'y a aucune inquiétude, euh, les syndicalistes en tout cas le savent, et dans cette affaire-là on va appliquer les taxes si effectivement ils ont droit à... Alors... On sait que dans Budget il a dit dans, dans, dans, ce que nous venons dans son intervention qu'il y a une politique de deux mesures, deux par deux mesures, euh, en ce sens que 191, 191 de, de leurs de, collègues eux sont retournés, ils ont été réhabilités administrativement. Bon, je, dis encore une fois, puisque nous sommes dans un état de droit, si tel est le cas, ils doivent avoir des avocats, ils doivent effectivement produire des, des, des preuves. Et nous avons connu récemment, euh, dans le cadre du concours, par exemple, de, la, de la, douane, des jeunes victimes, effectivement, de ce dépôt de mesures. Ils ont produit, en tout cas, euh, ils ont fait une investigation, ils ont produit des preuves pour effectivement justifier que eux, le, travail n'a pas été fait vraiment euh, dans toute l'honnêteté, dans le respect des textes, en tout cas, il y a eu des poids des mesures. Donc, pour leur cas, en tout cas, ils ont des avocats, ils doivent véritablement donc euh, faire euh, l'investigation, en tout cas prouver que ce qu'ils disent effectivement est sérieux et après euh, amener le Conseil d'État en tout cas à tenir compte. Ousseini ça Oui, mais moi, pour moi, véritablement, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire, ils sont déjà quand même des, agents de l'État. C'est des agents de l'État qui ont travaillé pendant des années. Et c'est l'État qui a organisé le concours. Parce que que ce soit l'université, le spécial c'est pas eux qui ont décidé d'aller de, s'inscrire. On dit qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire parce qu'ils étaient à la fonction publique. Oui, mais pourquoi Parce que je suis à la fonction publique, il y a un concours où je le profile, pour lequel je le profile, on va me dire que je ne dois pas aller le faire. Est-ce qu'on leur a fait une injonction de, de ne pas aller faire le concours Ça n'a pas été le cas. On les a laissés faire le concours. Ils sont allés à l'université, ils ont commencé la formation. Ils sont allés jusqu'à un niveau, à un certain niveau. Mais que dites-vous de, la, politique des deux poids, deux mesures dont ils parlent en, faisant référence quand on veut faire à leurs camarades qui quand ont on, été on réhabilités On ne doit pas faire la politique des deux poids, deux mesures. De la même manière que les autres ont été, eh, dire, eh, ont été réintégrés, eh, ou du moins ils ont même été, comment dirais repositionnés quand ils sont revenus après leur formation. De cette même manière, eux aussi, on ne peut pas leur dire non, Allez-y, on n'a plus besoin de vous après avoir passé plusieurs années à servir l'école. Et vous n'êtes pas sans savoir que le problème est là, réel aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes d'enseignants, il y a des problèmes de compétences même des enseignants. <laughs> nous, allons, revenir sur ces questions de, compétences. Mais parlons à présent de l'arrestation de certains enseignants contractuels dans la région de Tilabiri, notamment euh, le département de Saï. C'est le résultat de l'investigation menée par la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Alcia sur l'ensemble du territoire, il vous, vous souviendra, dans le cadre de l'opération du contrôle physique des enseignants contractuels. Il s'agit d'une affaire de faux, usage de faux diplômes qui a conduit aux arrestations de quelques enseignants contractuels. Alors je reviens vers vous, Eladja Mamadou Suleiman du, du Républicain. C'est quand même grave qu'on puisse des enseignants euh, contracté avec des faux diplômes Justement, c'est extrêmement grave. C'est d'autant grave. Hier, euh, euh, nous avons suivi le ministre de, des enseignements primaires, en tout cas, décrire le niveau, parce qu'il y a eu, je crois, un test euh, initié par la coopération suisse qui montre véritablement le niveau des enseignants. c'est comme c'est une alerte assez vraiment euh, inquiétante euh, lorsque des choses les plus élémentaires, les enseignants ne, le connaissent pas. Euh, franchement, c'est inquiétant. Mais la question justement du, faux diplôme, parce que lorsque et tout cela en réalité, il faut le dire en amont, c'est que l'école a été effectivement euh, mise dans ces conditions-là par les institutions de Bretton Woods. En tout cas, en ce moment, on a considéré que il faut véritablement euh, donc euh, euh, aller vers la faire des contractuels au lieu justement d'avoir des, des, des, enseignants de, carrière. On a vu cette affaire de double vacation. Et aujourd'hui, c'est vraiment, excusez-moi, ils ont semé la merde au, niveau de, l'école, pas seulement ici au Niger, en tout cas dans les pays en développement. Et c'est ça à retour les conséquences. Mais pour revenir vraiment à la réalité, maintenant, la question au, niveau des au niveau de ce faux diplôme, justement, les jeunes euh, qui ont fait de ça, en tout cas, juste euh, euh, trouver d'abord une, un, salaire, en tout cas un, un, boulot. Les gens, effectivement, certains sont allés chercher des diplômes de leur grand frère. En tout cas, il y a eu de n'importe quoi. Alors, et, qui, qui, qui, condamne Qui condamne À partir du moment où. Il y a un processus de recrutement quand même qui doit permettre de déceler. Justement, on a, tu, tu amènes un diplôme ceux qui vont recruter, effectivement, vont considérer le, diplôme. Peut-être qu'il n'y a pas un mais avec le travail de la RCA, qui est un, travail très, très euh, rigoureux, on pense que véritablement, on ne peut pas admettre euh, cela. Et la preuve, c'est que euh, on voit effectivement comment ces enseignants-là, parce qu'ils n'ont pas du tout la vocation, dès qu'ils ont autre chose plus offrant, ils abandonnent l'école. Euh, mais je dis que véritablement, ce particulièrement à l'école, euh, ce n'est pas acceptable justement qu'on utilise un faux diplôme euh, pour venir en tout cas former les enfants parce que déjà la catastrophe elle est là. Le nouveau, la baisse du niveau dont on parle, c'est une réalité. Mais si effectivement les gens qui, qui euh, quelqu'un qui n'a pas le certificat vient euh, tenir une classe, je pense que c'est ah, là on ne peut rien, on doit vraiment châtier en tout cas les, les, les indélicats. Ou, ni ça, des faux diplômes pris ah, avec, euh, les enseignants. Il n'y a pas un seul secteur où c'est tolérable. Il mm. n'y a pas un seul secteur. Mais c'est encore plus grave dans l'enseignement. Maintenant, s'il y a faux diplôme, le, phénomène de faux diplôme, ça fait quand même quelques années dont on en parle. Ça veut dire qu'il y a des réseaux. Si ces contractuels-là qui ont été décelés avec des faux diplômes, la procédure qui est enclenchée va permettre de savoir où est-ce qu'ils ont eu ces diplômes-là Et on va remonter, comment vais-je dire, euh, et, comment dire, tout le circuit pour pouvoir prendre ceux qui sont dans ces réseaux de faux diplômes. Il y a déjà par le passé un réseau qui a été démantelé. Maintenant, à chaque fois qu'on démantèle un réseau, un autre se reconstitue, un autre se constitue. Dans un autre domaine. Voilà, même dans le secteur de l'éducation, dans tous les secteurs aujourd'hui, quand on va investiguer, il n'y a pas un seul secteur dans lequel, quand on va investiguer, on ne va pas trouver beaucoup de faux diplômes parce qu'il n'y a plus de rigueur du point de vue sur le plan du recrutement, il n'y a plus de rigueur. Et quand il n'y a pas de rigueur, évidemment, les gens vont, en tout cas, profiter de, cette faille-là pour pouvoir s'insérer. Alors, est-ce qu'on est peut expliquer la baisse des niveaux dont on parle au niveau, de, au niveau des écoles, au niveau, constaté au niveau des élèves, sur ces, questions de, de des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas, le profil Il ne pas chercher à noyer le poisson dans l'eau. Le problème est beaucoup plus complexe. Le problème de baisse du niveau est beaucoup plus complexe. Ça va au-delà de. Ça ne s'arrête pas. D'abord, quand on a institué la contractualisation, ils savaient bien à quoi il fallait s'y attendre. À travers la contractualisation, il y a des gens qui ont quitté le système éducatif depuis des années, qui faisaient un autre métier et qui ont profité de cette faille-là pour revenir près des enseignants, sans aucune base pour pouvoir enseigner. Et les gens ont fermé les yeux. Euh, aujourd'hui qu'on soit pour dire non, il y a des enseignants. Pendant toutes ces années, ça a été une catastrophe alors. On va les former, on va déceler ceux qui n'ont pas de niveau, on va les former pour ceux qui peuvent être formés, ceux qui ne peuvent pas être formés, peut-être on va les remercier. Mais moi, j'ai dit c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Il y a d'autres paramètres qui interviennent par rapport à la baisse de niveau. Je cite juste un exemple récent. Par exemple, la suppression de la des compositions. Récemment, c'est une mesure qui a été prise récemment. C'est très récent. Euh, la baisse de niveau, c'est aussi un, long, mais bien, processus. C'est un long processus. Depuis pratiquement la décennie, fin, de la décennie 90, le processus était en cours. Avec toutes les mesures anti, comment avait dit, antisociales au niveau de l'école, avec, comment avait dit, l'abandon. Parce que c'est un problème d'abandon. On on ne tenait pas compte de la, de, de, la qualité. C'était la massification. On ne voulait plus de la qualité. L'essentiel qu'on dise que le Niger a atteint un tel taux de scolarisation. D'admission, de, Bon, mais bon, le tout n'est pas ça. Mais où est la qualité On va revenir à vous, euh, Mamadou Suleiman. Cette question de baisse des niveaux, est-ce qu'elle peut être expliquée en partie par le fait que certains occupent euh, des postes qu'ils n'auraient pas dû euh, euh, occuper C'est un élément parmi tant d'autres. je l'ai dit, vraiment, la question de l'école, c'est vraiment un truc global. On a assisté vraiment progressivement à sa liquidation par les barres de fonds. On a imposé des choses qu'on croyait vraiment pour faire des économies parce qu'on considère que il faut donc on ne peut pas payer les, les, les, les, enseignants. Il faut donc euh, faire des mesures, euh, donc euh, prendre des mesures et de proche en proche, on se rend compte que aujourd'hui, et ce qui est, qui en fait plus gênant, c'est que les mêmes barres de fonds qui ont mm, plongé l'école dans ce ils ont vraiment fait leur meilleur culpa en disant qu'effectivement, ils, les ont, ils ont engagé nos écoles dans une, dans une très mauvaise voie. Et aujourd'hui, on est là, on est en train, tout simplement, le débat réduit pour une question de paiement de pécule. Non, c'est plus profond que ça. La question de l'école, c'est une question euh, vraiment de fond. Il va falloir vraiment qu'on reprenne justement cette question d'état généraux de l'éducation il faut vraiment et euh, le, récemment, je suivais Garbo Jibou, le, le maître du, président, le, défenseur Garbo Jibou, le, maître du, président Issou. Il disait que ce que, ce qui vraiment l'inquiète, ce qui est gênant, c'est qu'ensemble, il y aurait que, euh, sans l'école, on ne peut pas se développer. Justement, c'est très très important. On, ce n'est pas de trop d'investir dans, dans l'éducation. Tout la, difficulté chez nous, effectivement, vous ne pouvez pas avancer avec une population à plus de, de, de, 80% analphabète. Vous ne pouvez pas avancer lorsque justement euh, les jeunes n'ont pas, en, tout cas, un minimum de, connaissances. Et cela, vraiment, ça n'a pas de prix. Il faut investir dans l'école. Certes, euh, le pouvoir public, en tout cas, particulièrement ce, résume il a, il a investi dans l'école, mais comme l'a dit Issa, c'est vraiment euh, plus, on a mis plus en fait euh, euh, dans, le, nombre par la qualité quoi. Donc il est grand temps vraiment qu'on vise aussi la qualité. Nous allons clore cette page d'éducation par donc cette autre question. Toujours signalons qu'hier matin, donc, le ministre de l'enseignement primaire, Daouda Marté, a animé un point de presse, notamment pour évoquer la situation du système éducatif nigérien évoquer aussi euh, donc cette baisse considérable des niveaux dont on vient de, parler. Pour faire face à ce problème, une feuille de route a été élaborée par le du ministère. Je veux vous proposer d'écouter le ministre en charge de l'enseignement primaire, euh, Daouda Malam Marté, qui revient sur les principaux points de cette feuille de route. La première mesure déclinée dans cette feuille de route, c'est la refondation de la formation initiale des enseignants. C'est-à-dire que c'est la refonte à l'intérieur des écoles normales. Ça signifie quoi qu'on ne peut plus accepter n'importe qui à l'école normale. Ça signifie quoi Ne devient enseignant pas celui qui veut, mais celui qui peut. Deuxième chose, on ne recrutera plus un enseignant sans formation initiale. Parce que tu es titulaire du BPC ou du bac, tu veux être enseignant, c'est fini. La formation continue, c'est-à-dire que nous allons maintenant nous réorganiser pour que chaque fois que possible, qu'il y ait une formation continue des enseignants pour une mise à niveau deux. Troisième mesure forte, c'est l'évaluation des enseignants. Nous avons euh, pris la décision d'évaluer tous les 72 000 enseignants du Niger, leur administrer des questions en mathématiques et en français pour comprendre est-ce qu'ils maîtrisent cela, est-ce que les enseignants ont au moins le niveau de nos élèves. Donc vous venez d'écouter Daouda Malam Marti, ministre en charge de l'enseignement primaire. Ousseini Issa, euh, je pense que C'est vraiment des réformateurs. Parce que. Non, non. D'accord. On va essayer d'évaluer les 72 000 enseignants. Vous pensez que c'est irréaliste Je me dis, on va les évaluer sur quelle base Sur quelle base Il dit, il y a deux matières dans lesquelles, bien entendu, c'est l'éducation primaire, c'est les mathématiques, c'est le français. Maintenant, c'est l'opérationnalité. Maintenant, il faut se poser aussi la question, comment ces enseignants, parce que 92 ou du moins presque 90% de ces enseignants, c'est des contractuels. Comment ont-ils été recrutés Il faut d'abord répondre à ces questions-là. Malheureusement, il ne répond pas à la question, il dit qu'il va évaluer. C'était devenu une porte ouverte. Ceux qui ne seront pas compétents, en tout cas qui n'ont pas les compétences requises pour enseigner, on va les mettre dehors. On va les mettre dehors pour les remplacer par qui parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de problèmes. Par ceux qui sont, on va les remplacer par ceux qui vont faire la formation on va, initiale On va interrompre euh, le, fonctionnement normal du système. La question est là. Il y a eu un abandon total de l'école. Aujourd'hui, on veut, à travers des réformettes, pour dire c'est les enseignants, on veut jeter l'opprobre sur les enseignants. Mais il n'y a pas. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que les niveaux des scolaires le niveau a baissé à l'école. Mais alors, s'il hein? n'y a pas ces réformes, vous, souhaitez qu'on ne fasse rien Non, mais non, on peut faire des choses, mais il faut faire les choses dans l'ensemble, il faut faire ça dans la globalité. Ce n'est pas on se lève un matin, on dit voilà la mesure qu'on va prendre pour pouvoir solutionner. n'est pas évident que ça marche. Je viens de vous parler d'un problème, la suppression de l'évaluation. Ça aussi, ça va contribuer à encore baisser le niveau. Parce que quand l'enfant n'est pas évalué, il n'y a pas de, comment avait dit, il n'y a pas de d'émulation. C'est quand il y a évaluation, il y a compétition que l'enfant peut être stimulé. Mais quand on dit non, c'est le passage automatique. Tout ça, c'est des problèmes qui ont miné l'école. On dit, on a supprimé le CFPD à partir de, comme avait dit, à classe sem 2 l'enfant va directement au collège. On n'a pas eu le temps de l'évaluer, il n'y a pas de sélection. Oh, non, c'est des problèmes qui font que, à l'époque, à l'époque, il y avait la cravache. L'enfant est obligé d'apprendre ses, leçons. ses parents n'ont même pas frappé l'enfant mais, bon, mais tout ça, ça contribue à dégrader la situation. Il ne faut pas perdre de vue. Elle a, juste, Mamadou Souleymane Je reviens vraiment sur, à ce, que, le ministre, ce que le ministre le... a dit. En réalité, les pouvoirs publics sont rattrapés par l'histoire. Ce qu'il dit en réalité, c'est vrai, il parle de refondation, mais en réalité, ah, initialement, effectivement, n'est pas un qui, qui veut il y a des écoles qui forment des enseignants. Maintenant, dans le cadre justement, euh, euh, donc euh, avec les partenaires donc techniques et financiers, on était amené justement à renoncer aux normes. donc vous voyez aujourd'hui, en adoptant on, la contractualisation, son discours, son discours tend à dire que on revient au statu quo entier, à savoir que désormais, c'est les écoles normal. Cela est un coût. Est-ce qu'ils ont les moyens véritablement euh, de, le faire Mais c'est comme euh, une bonne façon de poser le débat de la, question de l'école aujourd'hui. Elle se pose avec acuité et je pense encore une fois, il faut reprendre la question des, états généraux de l'éducation pour que vraiment un forum national en tout cas puisse euh, véritablement, en l'état des lieux et vraiment, on met les moyens qu'il faut vraiment pour qu'on puisse un, nouveau départ. Et qu'en dites-vous de, de, la, de la, du réalisme de, de l'évaluation des enseignants dont il parle oui, c'est vraiment assez compliqué, c'est tout à fait euh, normal. Il dit, en fait, il prend la, la qualité. Mais je dis en réalité, on revient de loin, à savoir qu'ils savent comment on est justement venu à part de la qualité de l'école. Euh, donc, euh, ce n'est pas. De c'est pas euh, un rêve, en fait, c'est une réalité. C'est des politiques qui ont été menées, qui ont échoué. Et il faut avouer qu'il y a un échec vraiment. On décide de ce qu'on veut comme école pour le Niger. À 18h passées de 48 minutes, nous observons une courte pause. je, vous, propose maintenant qu'on aborde ces questions des premiers résultats de vagues d'interpellation de hauts responsables qui a lieu ces derniers jours et qui, pour la plupart, tournent autour de détournement des deniers publics. L'on parle de près de 500 millions de francs CFA déjà recouvrés par l'État à la date du 30 janvier 2017, selon le journal Le Témoin qui cite euh, le procureur de la République. Alors, Ousseini Issa, comment vous analysez cette opération Maiboulala ou la chasse aux voleurs de l'État, entre guillemets pour moi, pour hein, moi, je pense que au regard de la conduite de cette opération-là, je me dis quelque part que c'est vraiment un, effet d'annonce. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, les dossiers, quand on voit un peu les dossiers qu'on a essayé d'éplucher, il y a, je crois, un journal qui a parlé de 365 dossiers. On a épluché, on a pris quelques dossiers, on a traité, on dit qu'on a eu 500 millions de francs. ça correspond à quoi par rapport à l'ampleur, à l'ampleur de la prédation des deniers publics qu'on a connus ces dernières années. Mais on dit que c'est en cours, donc c'est des dossiers qu'il faut étudier minutieusement. mais bien sûr, moi j'ai dit, c'est bien, d'accord, c'est en cours. Mais on, dit, bon, le, le prévenu, on l'amène, on lui dit, bon, si vous pouvez payer quelque chose, vous payez, et puis bon, on vous laisse, on vous met en liberté provisoire. Mais est-ce que ça c'est pédagogique la pédagogie voudrait. Mais il faut bien que, à partir du moment où vous avez versé quelque chose dans le montant global que vous avez détourné, ça veut dire que vous reconnaissez que vous avez volé l'État. À partir de ce moment, non seulement on vous payer, mais il faut qu'il y ait l'action pénale. C'est ça qui est pédagogique. Parce que moi, je pense que pendant qu'un voleur de poulet, on peut le prendre et le jeter en prison. Quelqu'un qui a détourné plus d'un milliard, il vient, il verse 500 millions. On lui dit, OK, d'accord, vous avez payé 500 millions, vous pouvez aller dormir chez vous. Mais ça, ça va inciter les autres à vouloir imiter le même monsieur. Et on est dans ce circuit-là. En tout cas, c'est mon sentiment profond. La justice, la justice. je, crois que n'a pas lu le procureur, euh, les propos du procureur, du procureur. En réalité, désormais, avec la nouvelle loi, il est plus possible de payer une partie et avoir la liberté provisoire. Il faut euh, payer intégralement euh, pour bénéficier de la liberté provisoire. Effectivement, la liberté provisoire. Si c'est 500 millions que vous devez à l'État, vous, vous, devez, 500 millions pour avoir la liberté provisoire. Ça, c'est déjà en fait une euh, avancée Pas la moitié. Parce qu'avant, tu peux venir payer 100 millions prendre des, engagements, faire des versements, ce n'est plus possible. Donc ça, c'est vraiment une avancée. Mais l'autre aspect, c'est que je pense que véritablement, au regard euh, de, de, qualité des uns et des autres qui sont impliqués et qui sont inquiétés de cette affaire-là, je pense que on peut penser que véritablement, euh, nous on parle de tournant décisif, en tout cas, euh, j'avais fait un article où je parle vraiment, quand j'essaie de voir, il y a quand même euh, des signes qui ne trompent pas, à savoir que décidément, apparemment, le président de la République voudrait bien, en tout cas, sévir. Alors, est-ce que vous pensez que c'est bien objectif Il n'y a pas de, sélection dans, tout cas, à, le traitement de ça le Président de la République, qui est vraiment la voie la plus autorisée, ils n'ont pas de pression, ils ont coup de franche euh, de sévir. N'importe qui peut être ah, inquiété. absolument, parce que déjà, quand, je parle de la qualité des uns et des autres, effectivement, on voit des gens, et des gens du parti du président, et, les gens, ses alliés, donc euh, vraiment, je pense que c'est ça l'attente justement de, des Nigériens qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures, quelle que soit la personne qui est, impliquée. Et de ce point de vue, nous sommes quand même euh, prudents, on doit être vigilants, ah. on observe, mais vraiment, je pense que quand vous lisez la presse, euh, que véritablement, en tout cas, les gens euh, sont très, très, en tout cas, un peu confiants, un, peu rassurés, parce que c'est ce qu'on attend du président. Hussein disait que 500 millions, ça ne représente rien par rapport millions, à non, En plus de 500 millions, il dit ils ont euh, fait, en tout cas, il y a des, banques, comptes, euh, comptes bancaires donc, qui sont bloqués, ils ont pris des parcelles des gens. En tout cas, bon, c'est 500 millions et autre chose. Dans tous les cas, moi, je pense qu'il a dit, on parle de 365 dossiers. Et je pense que, comme on dit, le temps nous dira véritablement de la sincérité de, cette opération Meboula, effectivement, on attend euh, de voir. Mais euh, vraiment, je pense que euh, rien à faire. le pays s'appauvrit pendant que les individus s'enrichissent en train vraiment d'énerver les Nigériens. Il est grand temps, en tout cas, quand par exemple on, observe franchement ah. la, réalité, c'est une aberration. que hier, par exemple, et je l'ai dit encore une fois pour le régime Rapidement, parce qu'il nous aucune beaucoup temps, on doit aborder le dernier. Parce que quand ils étaient à l'opposition, lors de ce cours, vraiment, c'était de décrire effectivement la corruption. Aujourd'hui, donc, euh, le président est sous au pouvoir, la corruption, en tout cas, elle est réelle il a décidé de servir. Donc vraiment, je pense qu'on attend véritablement qu'il le fasse parce que c'est une promesse et un engagement qu'il a tenu au ah, Nigeria. Ah, pour finir euh, ce forum, nous allons nous intéresser à présent à cette augmentation de tarifs de transactions électroniques. Il s'agit du paiement des factures d'eau et d'électricité via Orange Money, le portefeuille électronique, qui connaît une hausse depuis le 1er février 2017. C'est à travers le service de messagerie que l'opérateur Orange Niger a informé ses clients qu'il vient d'augmenter les frais de ces transactions. Ainsi, ces frais passent de 200 francs à 500 francs désormais pour toute facture d'eau ou d'électricité de plus de 15 000 francs jusqu'à 30 000. Et chaque facture de plus de 30 000 coûtera au client 1 000 francs. Nous allons rapidement écouter euh, un consommateur qui se plaint. Ça fait 3% qu'ils vont prendre. Donc ils sont au-delà de la redevance RTL. Mais c'est un peu inquiétant. C'est pas pour eux qu'on travaille, c'est pas l'État du Niger peut nous imposer à travers euh, une loi. Mais eux, qu'est-ce que les textes ont La loi a-t-elle prévu que ça soit comme ça. Et mieux encore, il y a quand même ce qu'on appelle aussi la TVA sur notre facture. Mais comment une simple transaction de paiement va coûter plus cher que la TVA Il faut qu'on applique une TVA sur leur transaction. Et cette TVA, elle ne doit pas être de 19%, hein, puisque c'est une transaction qu'ils ont inventée eux-mêmes. Donc il faut qu'on applique une TVA de 90% là-dessus. Dès que j'ai vu le SMS, j'ai pris la décision d'arrêter. Puisque moi, ma facture d'électricité, elle est toujours dans la tranche de 30 000 francs CFA. Ça veut dire que je vais payer 5 fois plus cher. Donc je préfère encore donner 1000 francs à quelqu'un qui va faire la queue pendant une journée, puisque quand même le Nigérien ne gagne pas 1000 francs par jour. Hein. C'est M. Rabiu Dansousou, qui est un client, un client qui euh, fistule cette nouvelle augmentation. A noter que nous avons tenté sans succès de joindre la direction d'Orange Niger sur cette question. Rapidement, euh, il nous reste 4 minutes pour finir. Ousseini Issa, quelle réaction vous suscite euh, à cet état de fait ah, Moi, ma réaction est toute simple. C'est qu'ils n'ont qu'à arrêter. Est-ce que c'est est -ce c'est compliqué Qui arrête Qui doit les clients, que les clients Qu'ils aillent faire euh, une journée entière, faire de la file indienne parce que c'est pour éviter d'aller. Oui, le problème Oui, le problème. Même si physiquement je ne peux pas aller, je peux trouver un enfant à qui je peux donner 500. Mais je préfère donner 500 à un enfant que tu dois à une compagnie qui est en train déjà de piller. C'est votre avis euh, Les, eh, les clients doivent arrêter ou il y a... mon sentiment, c'est que nous sommes dans un monde de libre euh, concurrence, en tout cas de business. Euh. Donc le, principe, c'est un service qu'on propose aux gens, ce n'est pas une obligation. Donc chacun est libre de, de, le faire. Mais ce qui est mauvais, c'est la, communication. Décider de manière unilatérale, justement, d'imposer cela, ce n'est pas vraiment euh, la meilleure voie, en tout cas. Et vraiment, de façon générale, en tout cas, les compagnies de téléphonie méprisent vraiment les consommateurs. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. Euh, la communication qu'ils font, c'est pour vous demander de consommer plus. Mais vraiment, qu'il s'agit de faire un peu de, de, de, protocole pour comprendre euh, le consommateur. Ça, vraiment, ce n'est pas leur affaire. Euh, c'est un rapport vraiment marchand. mais moi, par rapport au principe, je ne vois aucun inconvénient parce que quand il faut de la vérité, c'est des choses maintenant pour les personnes vraiment qui sont à jour, en tout cas qui ont les moyens au lieu d'aller faire la queue, vraiment, tu règles ça en temps réel. Tu vas à tes ah. occupations. vraiment. Je vois, mais alors, quel doit être le regard de l'État, de, l'autorité en euh, charge je pense que, Je pense qu'effectivement, la, la en tout cas, est censée euh, véritablement donc, euh, réguler la question. Si effectivement les usagers, en tout cas, sont, sont, sont, en tout cas grigés, l'ARTP, je pense que doit mettre les citoyens dans leurs droits donc, de ce point de vue-là, je pense que euh, rien n'est. Euh, en, réalité, ce qu'il faut dire, comme l'a dit Oussani, il faut dans ce pays-là qu'on puisse vraiment faire des actions citoyennes. Il faut qu'on commence véritablement face à un problème véritablement. Il y a surtout des associations, en tout cas la société civile, tout à fait, qui, doivent véritablement souvent faire des pétitions pour aller vraiment interpeller qui de droit, par exemple la RTP. si on s'organise de cette façon-là, effectivement, il ne peut, pas ne pas, en tout cas, euh, agir. Alors, Ousseinissa, vous dites que les consommateurs doivent arrêter de. de, Est-ce que. vous quel, ah. regard de l'État L'État n'est pas interpellé L'État est interpellé, mais qu'est-ce que l'État a l'habitude de faire face à ces compagnies-là L'État n'a pas l'habitude de réagir. Parce que tout simplement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en dessous. Moi, je ne m'attends pas à quelque chose de l'État. Vous pensez il revient aux consommateurs, de prendre leur disposition, de créer les conditions, le rapport de force nécessaire pour que la compagnie renonce à ce coût-là. a l'habitude justement de, les sanctionner hein, à coût de milliards. Justement, la RTP, le régulateur, en tout cas, a l'habitude de les sanctionner. Cela veut dire que, franchement, ils n'ont pas coulé franche aujourd'hui, ils sont bien suivis. Euh, maintenant, il faut de l'autre côté, effectivement, qu'il y ait une veille citoyenne. Ça, mais justement, quand il n'y a pas cette veille citoyenne, parce que l'ATP, c'est bien beau. L'ATP, c'est par rapport à un certain nombre de taxes, d'impôts de, et autres. Mais malheureusement, par rapport aux citoyens, il n'y a pas d'action. Il 18 heures passées de 59 minutes, euh, nous sommes arrivés au terme du forum de la presse de ce soir. Je rappelle que nous étions avec Alerj Mohamed Suleiman, journaliste euh, au niveau du journal Le Républicain, et Hussein Issa, journaliste indépendant. Merci à tous. Bonsoir.